Nous ay ñun génération on est moins les enfants de l'État et du parti il y a beaucoup de générations de self-made men il faut des solutions innovantes il faut d'autres alternatives Pas accepter ce ministère accepter avec la Banque islamique de développement nous financer li nga xam consolider une chaîne de valeur chaîne de valeur non moy lan madame Bintou Fall Diagne wax nako bi nga xamante tay mo doon porte parole présidente Assulo désigné ko moy bu féké amul transformation du mën am emploi bu amul transformation du mën am valeur ajoutée bu amul valeur ajoutée yokk du mën am bu yokkute amul développement économique local du mën am kon loon man fofu lay yam li ci dess ci waxtan bi nag ci capacité magasin bi fiche technique bi recommandation et orientation yi ak prolongation vision du chef de l'État damay à madame le ministre wax ko di wax ni qui sont djégo la rek ci suñu ak pour Gaaya ak pour Walo ak Sénégal ndax nak dañu que jamono jo xamanteni le leadership n'est plus statique le leadership il est situationnel et évolutif la construction du magasin de squash de riz de Gaïa, entre de et s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin et de l'emploi des jeunes PADEF-EJ, fruit de la coopération avec la Banque islamique de développement. Vers l'émergence en 2035 et la réalisation des objectifs de développement durable, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, le PADEF-EJ a pour objectif principal de contribuer à l'amélioration des conditions de vie économique et sociale des femmes et des jeunes filles dans cette optique, l'une des composantes de ce projet est consacrée au développement des filières agricoles en vue de renforcer les créneaux dynamiques et porteurs qui accélèrent le développement de l'entrepreneuriat féminin dans les chaînes de valeur agricoles. Ainsi, le PADEC ej e entre dans le cadre du processus national d'éradication des inégalités sociales et du repositionnement des femmes dans le système de production, de gestion et d'échange des biens et des services. Mesdames et messieurs, chères populations de Gaé, la cérémonie qui nous réunit ce jour présente pour moi un double intérêt. Elle nous offre d'une part la belle opportunité de communier avec les populations de la commune de Gaé, que je remercie pour leur accueil chaleureux. D'une part, mais cette cérémonie constitue l'amorce d'un renforcement de la réponse publique à la forte demande des producteurs et productrices, demande portant sur les capacités accrues de sécurisation des récoltes pour tirer des meilleurs profits du marché. Le bâtiment qui sera érigé en ce lieu est composé d'un hangar fermé où des palais seront disposés pour accueillir le riz conditionné sous différents formats de 1 kg, 5 kg, 25 kg et 50 kg. La construction et l'équipement de l'édifice sont estimés à un coût global de 33 994 254 francs CFA. Ce magasin de stockage n'est qu'une unité dans la série des infrastructures à réaliser dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, composante essentielle du programme Ligueil Elec que le chef de l'État a déroulé avec beaucoup de bonheur et de succès au milieu urbain comme en milieu rural. Pour tirer le meilleur profit de ce joyau, il est prévu de tenir des sessions de formation destinées aux femmes gestionnaires du magasin. Celles-ci seront également formées dans les techniques de stockage de denrées alimentaires, la gestion administrative et financière, l'entrepreneuriat, le calcul des coûts de production et les techniques de mise en marché.